cikin shirin tusu ala fada da fatan kuna lahiya amiru la fada mun dade muna marmarin mu leƙo su yau nous sommes enfin à Tawa la capitale de l'Ader nous avons la région d'Agadez au nord au nord-est le Mali, à l'ouest Tilaberi et Dosso. Et juste qu'une décentralisation en niger.org, il y avait environ 3,5 millions d'habitants en 2012 et la plupart sont des jeunes. Alors, c'est comment les jeunes de l'ADER Ça va Vous allez bien Ça va bien. Ça va, ça va bien. Vous êtes content d'être sur la FADA On est content, très content Voilà. En moins de deux mois, ça, sujet, un, je suis avant ça. Un ça. kai, representant kin su dai abin da yasa muka so mu yi hirar wannan ta siyasa tare da su pour les élections générales de 2016 mun ga ba dama ba ku yi wasa da harkokin zaɓe ba gas waɗannan matasan wani mahimmanci ne suka ba siyasa Tawa Et comment ça se passe quand un jeune s'engage dans la politique ici à Tawa Pour en parler, nous sommes installés à la place publique de la DER, en plein centre-ville de Tawa. Pour en parler, nous sommes avec Asumana Abouba. Asumana Abouba Hamsatou, très engagée en politique. Elle est la présidente régionale des étoiles de son parti et candidate aux futures législatives. Ça va ça va bien. Il y a terrain, on va la coco, tu connais. On est toujours sur le combat d'accord. Allah Nous sommes avec euh, Rachid Zakou, il est le président du conseil régional de la jeunesse de Tawa. Ça va, vous allez bien, monsieur Rachid Oui, ça va, Dieu merci. de la même structure, Jubo Issa Adamou, ça va Vous allez bien, Merci. Nous sommes avec Alassane Salifou, lui, il est étudiant. Alassane, Ça va, Ça va Karatou, Comment Mais les étudiants, vous êtes aussi euh, dans le mouvement, quoi. Ah oui. Ah, bah, bah, sommes avec Saini Amadou. Il est étudiant et également influenceur. Ça va Oui, ça va bien. Tu vas bien Je vais bien. les euh, jeunes, ils sont prêts, ils sont déterminés à être des acteurs et pas des spectateurs. Et comme d'hab, la fada, il n'y a pas de fada sans musique. La rubrique qui sera l'affaire de Dondi et la chronique de Mr. Oli, notre chroniqueur chouchou de la fada. Ça va, Olivier Tu vas bien Tu veux bien, t'aller à Tawa Tranquille à Tawa. Il fait bon ici, il fait pas chaud. Ah bah oui, bien, bien accueilli avec la fraîcheur, le bon bonheur, l'amour. Ouais. c'est bon. Alors, on aura quoi au menu Eh bien, ce soir, nous allons parler d'un poste très stratégique en cette euh, période préélectorale. On va mhm. parler du rôle du directeur ou bien de la directrice de campagne. Ok, wow, c'est énorme ça. Énorme, gros. Voilà, on se dit à tout de suite. À tout de suite, belle purement émission, ravi. élection purement politique, cette émission. Pour les élections législatives de 2016, à Jartawa, le compte-rendu des résultats législatifs annoncés par la Cour constitutionnelle, ils étaient 1 million 85 à élire leurs représentants. kujera ga sani Ce qui, j'ai l'impression, a boosté quand même l'intérêt des jeunes de cette région pour la politique. C'est en partie lié à ça ou quoi c'est assez motivant quand même. Hein? Ah, c'est motivant. Parce que j'aime jeunes son aïe dessous. Moi, sont suis observé. Uh ah, -huh. Ah. il, estime qu'ils ont l'âge de la maturité et aussi ils peuvent se prétendre ils peuvent poste de responsabilité. voilà. avant de commencer, Écoutons la situation de l'engagement des jeunes dans la région de Maradi A gabancin gudanar zaɓuɓɓukan shekara 2020-2021 ƙasar Nijar, jam'iyyun siyasa na ci gaba da haudawa da zaɓen 'yan takararsu. Batun halartar matasa na kan yanayin zani, saboda a cikin jihohi matasan su kansu na dundumi a kan riba ko rishin ribar da ke ga siyasa. Haka dai rahoton wata ƙididdigar bincike ta ƙungiyar Hima da tsangayar ƙasa ga batun lissafe-lissafen harkokin jama'a kan fannin zamantakewa ta maradi suka gudanar. abdulrahman Nuhu, sakataren zartaswa na ƙungiyar, ya yi bayani kamar haka. Ina iya cewa akwai sakacin aƙida ga matasa saboda ba su ma baiwa siyasa mahimmanci. A wasu lokata ana gangamin su a wajen farfagandi. Ana ba su suna ɗora shayi suna kiɗe-kiɗe na radiyo da kuma ɗora wake. Amma kamar yanzu sun fara farna. Duk da haka wasu matasan na sa ran kawo tasu gudunmuwa ga girkin sabuwar matashiyar fuska saboda a cewar su mai Maman Bala 'yan siyasa na amfani ne da matasa da mata don su ɗale madafan iko. Shi kam yana fatan a samu canji ga wannan yanayi ta hanyar wayar da kan al'ummomi wajen zaben da za su yi. Abin da ya sani siyasa bakin ciki ne ke ji kasa ta ta Nijar cutata ma matasa da aiki irin cutata ma talaka da aiki irin cutata ma mata da aiki akwai mata da yawa wanda su kawai an bar su sai dai an zo taron siyasa a ba su kuɗi su ɗauko eh, mata yan uwansu a zo a yi ihu shikenan an gama da su abin da ya sani shiga ga siyasa in samu a ma mata kai da matasa su zo a dama da su. Nana Fatsuma ita kam ta ba da kanta don ɗaga muryar matasa a samu nagartacce zancen canji ga wannan halin da ke maida ci gaban mata baya alhali ko su ne mafi yawa fiye da rabin adadin al'ummar ƙasa. Matasa an bar su baya kwarai cikin tahiyar siyasa. Mata da matasa sun yi yawa cikin mu ta Nijar. Kenan bai kamata a ce an bar mu baya ba ya kamata duk abin da ake yi cikin mu ya zama to an dama da mu. Abin da ya ƙara tun kuɗa ne kenan na shiga cikin waga tahiya ta siyasa. Biyo bayan wannan haɗuwar an girka wata haɗakar gamin gambiza domin zartar da manyan-manyan ayyuka da kuma rawaita jerin mata da matasa 'yan takara na zaɓuɓɓuka masu zuwa. Honoro dame, bien sûr. Lega, ne m'en voulez pas. Yanzu in fara da ke, amsatu. Yanzu wannan matasa na jihar Maraɗi da kika ji wannan rahoton nasu, ya kike ganin wannan situation kin jeune koko na mata positionnement kinsu na yanzu. e, matasa da mata muna remerciyan su saboda yanzu sun gane tahiyar inda take mata su ne duniya kuma mata uwayenmu saboda muni ne suke wahalhalu don eh, su ga inda ɗiyansu za su shiga don su ga inda za su bi sau da ƙawa saboda su yi a avenirkin ɗiyansu yanzu kuma lokaci ya kai inda jeune sun gane su da kansu tashi su lut tunda sun san da uwayensu saboda su ne duk suke wasu wahalhalu plus zaman uwayenmu mata yanzu a jihar tawa c'est la même situation parce que ana maradi muna gani kaman a maradi euh, les jeunes se réveillent ils comprennent plutôt où il faut être et où il faut aller c'est c'est pareil à tawa c'est plus que pareil même nanan ne ya ma huce na maradi zancewa paske ni yau mhm. zan iya cewa ina da aboki hiya da goma sha biyar waɗanda sun kandida fulles election local election wannan za a yi na konsayi kenan akwai akwai engagement na matasa gaskiya a tawa cikin mhm. party politics yau duka matasa sun gane da tahiyar da su ya kamata a yi bai kamata a ce su tsaya ku zo ku yi yan a ba kuɗin shayi kuna kiɗi kuna taɓe taɓe in sun tayi assembly da nan su mance da ku ko kuma ku yi zaɓe mutum ya zan conseil ko ya zan mayar da nan ya ƙare da ku su ma yanzu matasa sun te sun nemi wannan ilimi saboda na harko ma jahilci ne cimu mu ba mu san da shekara 21 kana aikan diya ba yanzu wannan sani mun te mun neme shi e sa nous a permis aujourd'hui de voir an samu nombre mai yawa na matasa maza da mata a nan cikin jihar Tawa har cikin departament na Tawa waɗanda za su kandida parce que conseil régional muke da la jeunesse e muna muna da correspondance ko ina cikin departement. kuma abokan mu suna ce muna cikin kowane departement an tuka an samu canji karatu muke yi mu rantse ta university har mu yi master mu yi doctora za mu dawo mu yi ma wanda bai da brevi diskur mu rubuta mai diskur da ka ta universite ka fara hira siyasa sai a ce ka ku bar shi wancan dan siyasa ne to yanzu har universite in mutane sun fara ganiya en tout cas bai kamata a ce ana tahiya ba ba da matasa ba kuma matasan aujourd'hui il représente 65% c'est énorme kashi 65 here 65 na population kai kuma ba ka shiga to ina ganin take taken ka inda <laughs> an ce development za ci gaba ake nema gaskiya bai kamata ba a ce mu muna baya 65 bai kamata a ce mu koma baya ba Alassane Salifou tu es étudiant Oh, je suis étudiant. autour de toi, tu vois bien les jeunes qui sont engagés, même si quand tu gagnes c'est Effectivement, c'est motivant. C'est très motivant parce que eh, ganin matasa yadda suka zo za su shiga siyasa abu ne wanda ya kamata mu kama musu kuma abu ne wanda ya kamata mu daɗi saboda matasa mahi yawanci dai yanzu a Nijar su ne suka yi karatu kuma siyasa ba abu ba na ra'ayi ba ba abu ne wanda zaka zo eh, ina so in yi ba na zo ya kamata a ce ka san abin da kake ka san dan me zaka yi kuma ka san objective inda kake perceive shine sa da na gani jan su yi mobilize sun shiga cikin harkokin siyasa abun yi mun daɗi. Vraiment je les To, yanzu anan muna tare da wasu matasan hallo su ma wanda wasu ba san muka gai sunan nasu ba amma muna so mu sani cikin waɗannan matasan da suke siyasa a nan jihar taku ka gaya mun sunanka. Eh, sunana Ibrahim Hassan.

Voilà, donc Sur ce on va aller euh, voir Dondi cette fois-ci dans L'artiste s'exprime. Euh, avec quel artiste il va causer cette fois-ci Et on se retrouve juste après. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, sur tous à la fada, l'artiste s'exprime. Si tu oses dire hey là, si ça sort, tu vas comprendre. ça. Aujourd'hui, là, c'est deux flics à Kalangou. À Kalangu On va faire la loi ici. On va faire la loi. On fait déjà la loi ici. non On lui donne la parole. Les gars, laissez-moi gérer cette situation-là. Bon, vas-y, vas-y, c'est bon. S'il vous plaît. Pour 5 minutes, hein, c'est bon. Sinon, non. Voilà. Vous êtes sur tout ça, la fada, ladies and gentlemen. Vous êtes sur votre rubrique, l'artiste s'exprime. Vous l'avez certainement constaté, Il faut la loi, il faut la pluie et le beau temps sur le studio Kalangu. Nous sommes avec deux flics à Niamey. Mais ces deux flics sont à Kalangu. Ouais, ces deux flics à Kalangu, ce n'est plus à Niamey. Ils hein. <laughs> <laughs> les Voilà, deux jeunes artistes humoristes nigériens. Il faut la fierté de l'humour mais du Niger. Ils sont jeunes. Vous êtes aussi jeunes, vous kiffez cette émission un peu partout au Niger. Eh, vous allez me parler de vous. Ah, je commencerai par qui c'est bah. qui le plus gradé entre vous C'est moi. Alors, il voulait on va parler de toi. il fait toujours capoter l'émission. Il capoter l'émission. <laughs> voilà. Alors, Iboulele, tu vas nous parler de toi. On commencera par toi. qui est Iboulele Iboulele, c'est, c'est Ibrahim, donc à l'état civil. Ok. Ouais, mon nom, c'est Ibrahim. Euh, je, suis en Master 1. J'étudie l'informatique. L'informatique. Voilà, j'ai 20 ans. Ah, tu as 20 ans Ouais, j'ai à peine 20 ans. Je n'ai pas encore 20 ans, c'est dans quelques de... jours. Hein. de, toi à moi, tu as 20 ans. Et tu vas nous parler de toi, Boubacar. Ok. Euh, salut, euh, moi c'est Issouf Sayo Aboubakar. Ok. Donc euh, à l'état civil. Donc mon nom d'artiste Abakar Sayo. Uh-huh. Voilà. Donc je suis étudiant en master 2 en réseau télécommunication. Uh-huh. Ok, donc euh, né au Cameroun. J'ai 26 ans. 26 ans. j'ai 26 ans. Ils sont jeunes, mesdames et messieurs. <laughs> Alors, Ibou, je te donne la parole parce que c'est toi le plus gradé. ok, d'accord. On vous a vu sur la toile, vous avez en tout cas beaucoup cartonné et marché sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, il faut parler euh, de tout ça sur cette émission. Mais avant cela, est-ce que tu peux déjà me, me, raconter comment est-ce que vous vous êtes rencontré avec euh, Sayo Ouais, bon, de base, lui, c'était un gros fan de moi. Il est fan de toi <laughs> ouais. Il te suivait sur les réseaux sociaux Ok Bon, pas vraiment. Le gars m'avait. <laughs> Donc, c'est vrai, il m'avait écrit euh, pour me dire qu'il était trop fan de moi. <laughs> hey, dis la vérité Et qu'il aimerait se lancer aussi dans la comédie. Après, j'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, tu vas venir, on va faire des tests. Après, on avait commencé. Bon, quand il était venu, il avait beaucoup d'idées dans sa tête. Mais en fait, c'était, le genre de gars qui avait beaucoup d'idées. Mais il ne savait pas comment faire pour réaliser ces, trucs-là. Quoi. Ok. Après, donc, on avait commencé comme ça. On a fait quelques petites vidéos. Et puis, ça avait pris les gens qui font. Après, voilà, c'est comme ça, c'est venu. Quoi. Ouais, super. Et du coup, toi, ça fait quoi Deux ans que tu as commencé l'IMO et lui aussi plus de deux ans ou expliquez-moi un peu le truc parce que vous avez pratiquement un an ensemble, c'est ce que tu viens en instant de dire. Ouais. Euh, ça fait deux ans que vous vous connaissez sur la toile, mais quand est-ce que vous avez véritablement commencé à, travailler ensemble Tu te rappelles À travailler ensemble avec lui Oui, à travailler. À oui, ça fait peut-être un an et demi comme ça. un an et demi. Je pense que notre première vidéo ça date euh, de 18 mois, un truc de 18 mois, avec lui. Hein. C'était quoi la première vidéo La, première, la, première vidéo, c'était, euh, comment on appelle, celui de Boko Haram. J'ai pas peur du de Boko Haram. Ah, on là. C'était ça on était là assis à la fada, on était en train de parler. Il dit, moi j'ai peur de rien. Moi j'ai peur de rien. C'est là alors qu'il me répond, ah, ah bon, tu n'as peur de rien, n'est-ce pas <laughs> C'est là. c'est Boko Haram, tu n'as pas peur. Oh, c'est Boko Haram, j'ai pas peur, hein, j'ai pas peur. Hein. Ok, d'accord. Et c'est de cette façon que vous <laughs> oh. avez suggéré le truc. Alors, est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer un peu euh, comment est-ce que vous êtes suivi sur la toile hein? Comment est-ce que vous, vous, organisez pour faire plaisir à, vos fans C'est chaque semaine, c'est hebdomadaire ou c'est quoi le truc Ouais, en fait, bon, tu sais, souvent, la plupart, la plupart des idées qu'on a, souvent, on est là, on est assis, et puis, genre, euh, on est là, à, la fada, on discute, et puis chacun rigole, tu vois un peu mhm. Et après la blague là à laquelle on a rigolé et puis on dit ah ça là est-ce qu'on va pas faire ça en vidéo Ah ok les idées viennent comme ça. Souvent les idées les plus naturelles c'est comme ça vous êtes là vous savez même pas. vous, tenez compte de la réalité de. Exactement on improvise. On surtout ça surtout ça. Ok Parce que quand tu fais une vidéo et que quelqu'un se sente dans la vidéo uh-huh. c'est en ce moment il, a interagi interagit avec la vidéo. Ah, avec la vidéo. Et c'est de cette façon que vous avez conquis, bien évidemment, le Niger, parce qu'aujourd'hui, les jeunes vous kiffent. Et hein. le premier anglais, gentlemen, <laughs> c'était la première version de votre rubrique. qu'on se prendra plaît, <laughs> plaît à Dieu. Demain, demain à partir donc, euh, bien évidemment, de 17h45 sur les radios partenaires euh, pour donc le deuxième angle. Ce serait euh, la machine et les deux flics à Niamey sur l'émission Franco Zarma. C'était la machine et les flics hi he yau dai fara babu dama mun zo birnin adar ba zan can kokowa bai kamu duk da da ake gayi suna da <laughs> ba cin ciku ya kamu siyasa hira siyasa muke tare da wa'annan matasan mu ji siyasa a nan jihar wacce iri ce matasa suke yi quelles sont leurs visions pourquoi ils s'engagent en politique on en parle aujourd'hui avec les jeunes de l'ADER un de nos invités vient juste d'arriver Issa Soumane vous êtes euh? oui je suis euh, promoteur d'une entreprise Royal Pressing Ok. je suis aussi membre du CCAJ et président d'une association culturelle ok Merci d'être sur la FADA et soyez le bienvenu. Nous en parlons aujourd'hui de cette politique des jeunes d'Ottawa avec euh, Assoumana Abouba, Hamsatou. Elle est vraiment très engagée. Elle est carrément candidate aux législatives prochaines. Nous sommes avec Rachid Zakou, le président du conseil régional des jeunes d'Ottawa. Nous sommes avec euh, Jibo Issa, Adamou du CRJ, Alassane Salif, où il est étudiant, Seini Amadou, étudiant, également influenceur. Nous allons poursuivre euh, ce débat hyper passionnant. Mais avant cela, je vous rappelle le numéro sur lequel vous pouvez réagir sur nos émissions 80 06 88 à 54. N'hésitez surtout pas. ça va le terrain il est vraiment favorable pour les eh, jeunes en tout cas ni de ganina mutane da yawa su yi magana wurin ga tare inga litoro favorable in dai muhim da tsoro tare inga favorable paske kasa muna ji mata haushi yanzu in ana kamfani ka gani cikin garin ga sa a tago kauye a ta dauko mu cikin kauye cikin motoci ana ce mutu karanta muwar karanta bilisi a kawo su kamar sardin a kawo su wai su ta yi zaɓe su in sun ta yi can assembly mancin suke yi ilzon yan salar salaire 'yan miliyon 500 wane da wane ne wai uwaye mu suna kauye ko ruwan sha babu mace ka gani tana dako mata suna hidda wannan ƙasa furke su saida su ci da iyalinsu wannan saboda shi ne mu mun ka ce bamu bari saboda mu muna tausayawa ƙasan mu muna tausayawa mu kanmu mu hisuwa kuma kuma in Allah ya yarda wanga election za a yi sai mun gwada musu da mu na sai mun ci ta president de jeune ka shi dai eh, matasan naka asumana a'a a tsaya tsaya kan kan kan bace mana Rashid za ku ko wala Rashid za ku. Eh, kashi 80 na al'ummar jihar Tawa gaba ɗaya su ne masu shekara goma sha biyar zuwa talatin da biyar kenan mahi yawa mhm. kenan mahi yawa maza da mata masu wannan shekaru to in ko ana son jihar ta ta gaba in ko ana son ƙasa ta ta gaba to eh, eh, mahi karanci za a yi da su ko kuma yawa <laughs> da mu za a yi wani da mahi yawa <laughs> to in mahi yawa suka koma gehe suka ba mahi karamci suka sa masu idanu sun kace su yi to dole a ga wasu abubuwa dole a ga abubuwa ta ko'ina saboda an kace sarki yawa ya sarkin kari ba batun kari da batun yawa ne shi yasa mu da muka so na shiga komin komin na shiga departament dun na jata tare da partenaire ko kuma in mu ta duk ina amfani da wa'annan da in ga matasa da nan zuwa 'yan watanni za mu zo zaɓe daban-daban kun yi mana kuka muna da su a rubuce da radio da tele da rezo sosai kuna tai kuna tai to rezo sosai ba can ne ba ba can na solution take ba ta hayya ta wanda an ka baka ga abin da ka ga dama sarbe na ni garan ka ga ra'ayin gara bakin nan ba dole ba ma maikanci ko ko daga ga shagoranta kama haya karanta watakila bai ma san ko yi shi ba hayya guda ce wadda za mu bi a saurare mu ita ce mu shiga siyasa da yan baka shiga siyasa ba in ka ce baka yin siyasa to ita siyasa yanka ta kai to babban kuskuren da gare mu kenan to daga baya yan shekarun ku zuwa karshe mun gani ko mun shi mun tabbata har cikin ƙauyuka matasa sun gane ya kamata a ce suna sun ƙoƙarci eh, jahohinsu sun ƙoƙi anguwin nan su da sauransu kai mu taɓa matasa kai a ƙara taɓa matasa <laughs> don kamar yadda kuka gani kamar yadda ya ci da zaka baku da nan zuwa gaba za ku iske tawa sha tawa nan burkin da matasa kan dida har takara akwai na shugaban kasa cikin sha tawa na hitabatun fite ko conseil ko wani conseil regional har matasa su yi kiran parti mun gani da yawa kenan muna ganin wani ci gaba na mamle les kudi ba ku gani ya suka so amma mu sai mun kaga a sai a ce ma siyasa ba ta sai da kudi ƙarya ce la lutte des visions la lutte des convictions la lutte des programmes c'est pas la lutte des sous c'est tout voilà c'est tout les gens viennent euh, souvent pour des meetings pour des achats de conscience parce que si vous êtes inconscient c'est ça ils ont raison quand tu es inconscient donc, il y a de l'argent pour t'acheter. Mais quand tu es conscient, il faut un programme, il faut on discute avec toi. Donc, c'est voilà. de ça il s'agit. Et je crois que maintenant, beaucoup de gens ont compris. muna ganin kan matasa da suke siyasa har suke buɗe fartinsu su sa kansu zama shugaban ƙasa har su sa kansu cikin su kwali zama shugaban ƙasa kan le de la mobilisation des jeunes autour de ces leaders nous avons aujourd'hui une jeune leader avec nous elle est carrément engagée

yani aka yani aka yi rakonta sai dai in ce kamar abu ne ya zo daga Allah paske gaskiya je matan da ba ni na yi deposit municipal a karciye kina eh. amma grand surprise da aka zo candidature ta legislative donc jeune sun kama mini a lokacin da aka selectionin sunana wallahi da aka kire ni emotion jeune matan da mempa Ah, c'est les jeunes de ton parti oui. qui ont voulu que tu les représentes. Charles. Mon Jonathan, les jeunes, bon, comment ils sont autour de leur candidat Zan continue inda ta tsaya. Aha, je ça. Kun san da harin cikin propos ina na harko na ce jahilci ne ke cin mu. Rishin sani ne, rishin ilimi ne. Mu kawai sai dai mu tura mota yadda Hausa ke cewa sai a bar mu da hayaki. To yanzu mu so ne muke motar mu da kanmu mu tura ta kenan in ka tura mota ka shiga ka tura da kanka kenan babu hira kace an barka da haƙi a tuka e, ta yi hira biskan lejan son mobilize autour des jeunes lalle haka ne a da yanzu in muna zama haka fada sai in ce ni zan zama kandida konsaye yo kawai abokai na ganin za su yi muna zaune tare da kai gobe ka zan konsaye shikenan ka kai ka zan mayar ka fara shiga mota ka fara shiga ina da ina eh. kenan kun gani a da duk wannan abu ya bushe da dariya ya shine tutem me yanzu za a ce ah, vraiment ya engagement des jeunes au niveau de tous les partis politiques en tout cas, les jeunes sont impliqués dans tout ce qu'on fait. Et à Tawa, il n'y a pas un seul quartier où il n'y a pas un candidat jeune. Ça, je parle sous, la, le contrôle de la population de Tawa qui est là. Partout où vous allez, dans chaque parti politique, Zagwani, les jeunes se retrouvent. Tous les jeunes mun gane da yanzu ƙarhin da muna da shi. Mun gane da ba a iya a tai a yi tahiya ta siyasa ba ta da mu ba. Dole ta siyasa sai tare da mu za a To shine sa mu ma muka ce on a notre pierre à l'édifice à apporter pour le développement socio-économique de notre pays. Kenan ya kamata a ce mu ma mu tai les instances décisionnelles na. mu occupants ouais. kullum mu ne fada muna critique muna critique muna cewa samar shimal sana vafa to sai mu zo mu gyara inda muna da ambition eh, in muna da niyya eh. kun ji dai abin da Adamu ya ce ku taso a dama ka tsaya bayan smartphone ana cewa wannan bai ba wannan bai ba a zo a gyara tunda dai muna da hanyar mu mu gyara to bakon mu da ya zo yanzu za mu juya wajen ka sai ka karanta mun sunan naka eh sunana malam Isa Sumana to malam Isa Sumana T'as gagné des fils billahi. Les jeunes sont tellement engagés que ça se sent, genre, ça se voit à des kilomètres, quoi. Que vraiment, ils sont motivés, ils sont super engagés. aganka mine ne mata matasakari hunguiwa dans leur lancer. Wallahi, matasa yanzu basu ma ne. Je pense que aucun parti politique ne peut étouffer la jeunesse. Ouais. La jeunesse, c'est pas que. Maintenant, c'est même la jeunesse qui est en train de s'imposer pour arracher ces postes-là. Ouais, ouais, en fait, c'est pas que Yanzu Babu Hira Hanamuna. Hmm. ne ya riga kuma alamun shiga sunan kina gani a nan da ya tawo gaskiya ba ce akwai aksari ba babu aksari fi sibililai dan matasa sun kama kansu ne sosai mhm, mhm. kuma suna na suna daga cette politique sera rajeunit vraiment et euh, on est super content c'est hyper motivant ah, on va poursuivre cette émission, mais avant cela, on va faire une petite pause musicale. Je l'avais précisé tout à l'heure, il n'y a pas de fada sans musique, ben mais Miku qui soit Qui parle aux jeunes. Quoi.

jeunesse délaissée. SOS, dirigeants africains, les jeunes. qui sont déscolarisés. Ils ne savent plus à quel sens se Certains quittent le pays natal. Chers dirigeants, vous êtes interpellés. Où sont les promesses faites à la jeunesse? on parle politique cet après-midi avec les jeunes de Tawa, leur engagement politique. En fait, ils s'engagent pourquoi les jeunes de Ils nous disent tout sur la FADA ce soir. Nous sommes avec le président des jeunes le président régional des jeunes de la région d'Ottawa, Rachid Zakou. Nous sommes avec euh, Hamsatou Abouba, elle est candidate aux futures législatives. Nous sommes avec jiboïsa Adamou du CRJ, Alassane Salifou, étudiant, Seini Amadou, étudiant également influenceur. Nous poursuivons cette, euh, ce passionnant débat avec eux. À deux pas des élections, la FADA veut savoir quelles sont vos attentes. Mieux que de Wanda, représentant Kougobe. sai ni amadu sai ni amadu me kuke shirar su eh wayanda za su representer mu je vais d'abord commencer avec euh, ina ga wata candidate en deux mots en deux mots il faut qu'on fasse rapidement le tour eh in sun tai su su yi abinda samu ka kai su saboda a eh, sansayar ariyan mu zo nan yau muna ta kuwa gobe su ta yi su ma su manci da mu abinda tsoyi na su jana ga muna alasan salifu gaya mun me kake jirar su wa'annan representant kin namu effectivement quand on élit quelqu'un, on attend quelque chose de lui. Mais nous, ce qu'on attend lui, c'est ce qui va de l'intérêt général. su Abunda, abun da kowa Quand ji daɗi que le ce lalle dan su matasa ne kuma su je su yi ta ya shahi seulement la jeunesse je suis duka toutes les couches sociales sous Régler mm. vraiment les problèmes de tout le monde et oh, penser à toute la communauté, pas qu'aux pas jeunes. on a besoin de nous, on a besoin de nous partout et partout quoi. Tout le monde a besoin des jeunes. C'est ça. Je vois ça. Et eh, nous le combat inda de ta yau da gobe dan dai ci ne, dan dai c'est pour apporter un changement. Et le changement là, moi je pense que avec les jeunes on peut l'avoir. Ouais. tour a sonné. Par un des dai on a défilé des su gwada mana su depute ne ko conseiller ne a dan da su domin kitse cikin wuta ne saboda su yi amursan development a samu ci gaba mu mu tura su dan da su matasa kadai ba a'a tsohin ai uwayen mu ne merci a toi to yanzu president des jeunes da kai zan karewa yanzu dai wa'annan zaben da za su gabato quelles sont tes attentes pas par rapport aux euh, représentants mais par rapport à ces élections ah to yau ah to d'accord quelles sont tes attentes eh, pour ces élections wannan shi ne an na in za ka fara shiga cikin ruwa wanda baka taba shiga ba ko baka taba shiga ruwa ba mm. hatsari da ka doka mm-hmm, mm-hmm. ko ka shiga ka hita ko ka shiga kai noyayi. don su hankali in dai a'a dan muta yana mu matasa a ce a muna da eh, deputy matashi muna da mayar matashi muna da wane ne matashi shi ɗaya ne a'a gidan shi kenan noman goshi ba a ta ko ina ba in za a ta yi a sa cikin kai za a zo da sauya tahiya tun da kai abin da ka sha wahala abin da ka san abin da an ka cuta ma to in dai da gaske na kai ma ka dawo ka cuta ma wani kenan kai gaba kun shirya abin president wannan shirin namu ba da sona ba amma dole mun mun da sa'aya am kami ban kwana da wa'annan wanda muka gayyata bisa ka wannan shirin namu na Francais Hausa Malam Olivier muna maka barka da zuwa bisa kan shirin namu ya ne ça va ça va bien merci pour l'accueil bonsoir à tous amis auditeurs et auditrices de l'émission Tous à la Fada aujourd'hui ravi nous allons décrypter un poste clé très stratégique en période électorale. Et eh bien ce soir, nous allons parler du directeur ou de la directrice de campagne. Qui choisit le directeur de campagne Première question qu'on se pose ce soir. Personnage de l'ombre, le directeur de campagne coordonne les équipes du candidat aux élections. Ils sont aussi les mieux placés pour murmurer à l'oreille des candidats. En Afrique, ils sont le plus souvent choisis au sein même du parti politique. Et eh bien, chose normale car on ne peut défendre ce qu'on connaît le mieux. Cependant, son choix est toujours entouré d'un mystère relatif. Pas de critères spécifiques définis, bref, pas grand détail. Le plus souvent, il s'agit d'un personnage déjà connu, qu'il soit public ou qu'il fasse ses premiers pas dans la scène politique. Ce qui est sûr, il est choisi dans la plupart des temps par le candidat lui-même. Et eh bien une autre question qui se pose, comment est choisi le directeur ou bien la directrice de campagne Eh bien, à cela, il faudrait être candidat pour le savoir. Et moi, je n'en suis pas un. Mais mes recherches, <laughs> mes recherches à ce sujet n'ont abouti à aucun résultat. Et eh mais comme je suis toujours chanceux, j'ai une candidate à côté de moi. J'aimerais bien savoir comment avez-vous choisi votre directeur de campagne ou bien votre directrice de campagne. <laughs> Comment hein ça s'est passé C'est qui Comment tu l'as choisi Ton directeur de campagne ou directrice eh, mon directeur de campagne, c'est mon papa. Ah ouais, ça, ça, Oh J'ai toujours reçu les conseils de mon papa. Car lui aussi, il était syndicaliste, mais par après, il est un grand politicien. Eh bien, un objectif unique pour euh, le directeur de campagne, faire accéder son candidat au poste convoité. Mais avant de réussir son pari, il lui faut beaucoup travailler. Le directeur de campagne, c'est ce grand stratège qui coordonne les équipes de communication, de mobilisation des militants autour du candidat. De la préparation des conférences de presse, les discours de meeting, le directeur de campagne est dans les papiers, mais aussi dans les actions. Les compétences du directeur de campagne sont innombrables et on ne peut les citer en deux minutes de chronique quand on est directeur de campagne, on est toujours sur le qui-vive. C'est aussi notre rôle de remonter des choses qui ne sont pas forcément agréables à entendre. A déclaré aux médias alignant West Ouest France, Joël Non, un ancien directeur de campagne en France. Rendez-vous demain dans la chronique avec euh, Mister Dandy pour parler d'autres acteurs clés de la campagne électorale et bonne chance à tous les candidats et candidates. Merci, merci Olivier. C'est la fin de tous à la fada, à contre-coeur quand même. On se dit au revoir sur cette fada, ce débat passionnant mun ji eh, siyasa da suke a nan ga matasan tawa wacce irin siyasa ce suke kuma mi yasa suke yin ta mun ji temoyar su mun ji a su kuma wa'annan matasan eh, mun gane ba sa ba a bar su baya to sai mun kara haɗa wasu shirin tusa ala fada n'oubliez pas vous pouvez réagir sur le 80 06 88 à 54 tamanin sufuri shida tamanin takwas hamsin da hudu nan da kuke iya ba mu ra'ayinku a huta lahiya tun daga nan birnin adar muna muku ban kwana.